devoir en parler, ce qui ne relève pas de mes habitudes, à un moment où notre pays ressemble à un roi de la guerre qui lutte dans un fleuve en crue. Et chaque fois qu'il jette un cadavre dans l'eau, le niveau monte. Et finalement, aussi bien lui que les adversaires ont été engloutis par le fleuve. Alors, l'affaire Bandiaki, qui a déferlé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'avoue que le jour où un de nos amis communs m'a appelé pour me demander de l'assister, j'ai dit, mais je vais avoir un dossier extraordinaire, énorme, un dossier scandaleux. Mais grande a été ma surprise lorsque je me suis rendu à la police de constater à travers les différents épisodes de l'enquête qui s'est déroulée qu'en réalité, la montagne avait accouché d'une souris. Pourquoi Je vais m'efforcer de ne pas rentrer dans les faits, parce que cela nous est interdit par la loi. Mais lorsque je vous expliquerai les différentes étapes de cette procédure, vous comprendrez qu'en réalité, la place de Jérôme Bandiagui n'est pas en prison. Il aurait dû rentrer chez lui. Alors, comment a commencé cette enquête Comment C'est dans le procès verbal de police que j'ai lu qu'en réalité, les policiers s'étaient rendus au domicile de Jérôme Bandiagui, non pas sur la base d'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a il donnait instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiagui. Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiagui. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'ont dit certains, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Qu'il est venu et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac dans lequel il y avait 1 400 000 et quelques les policiers sont rentrés dans son domicile, ils ont pris des passeports, ils ont pris des, des, des des c'est-à-dire des, des, outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandaki a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc, il n'y a rien de plus normal qu'ils détiennent, détiennent des outils qui doivent servir à l'exercice de ces prestations de service. Ça, c'est la première épisode. Alors, on a fait des enquêtes sur euh, les passeports, sur euh, ce qu'ils détenaient. Il a expliqué ce que je viens de vous dire, que ces outils servaient, n'est-ce pas, à sa société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés. Je précise au passage que M. Bandiaki assurait la sécurité de l'ancien Premier ministre et de l'ancien premier président, l'ancien président de la République du Sénégal. Donc, il faisait partie de leur sécurité privée. Et à ce titre, il avait besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif. Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuites, on doit pouvoir au moins, je ne dis pas poursuivre, hein, au moins entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que pas, ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc sur ce point, on le poursuit pour usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est à ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du Premier ministre, ensuite du Président de la République, la sécurité privée, que la primature, le Premier ministre, n'est-ce pas, m'a attribué un logement administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention d'avantages indu de la part de l'État. Alors, au cours de l'enquête, on a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle qui s'appelle Ndiak, si mes souvenirs sont exacts, Jack, qui s'est présenté spontanément et qui a dit que courant 2021, lors des événements de 2021, lesquels événements, je reviendrai, sont couverts par la loi d'amnistie dont je parlerai, 2021, Jérôme Bandiaki s'est rendu au domicile de Fatma Senghor et lorsqu'il est venu là-bas, il est venu là-bas avec des nervis et avec euh, des bâtons, des trucs, etc. Sur la base de l'audition de cette personne, Jérôme a été conduit au domicile de Farvangom pour une perquisition. Et il ressort de l'enquête que les enquêteurs eux-mêmes, ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont trouvé aucun objet pouvant les intéresser n'est-ce pas, dans uh, l'enquête qu'ils étaient en train de faire. Auparavant, ils ont perquisitionné la maison de Jérôme Bagnaki à Hambourg ou à Sali et ils ont récupéré deux armes. Deux armes, une arme d'alarme et un calibre 22, n'est-ce pas, qui lui a été vendu par euh, quelqu'un qu'il a présenté comme étant le cousin pour le beau-frère ou le beau-fils ou le gendre de l'actuel ministre de l'Intérieur. À l'armurerie, qui fait face, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il avait promis de lui chercher une autorisation, laquelle autorisation il n'a pas pu obtenir cette autorisation, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Sur ce point, on le poursuit pour détention illégale d'armes en tout cas détention d'une arme sans autorisation. Ce qui est rocambolesque, on a ajouté un autre délit, trafic d'armes. Pour ce, pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bandagui est poursuivi et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci. Je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république, ou bien nous sommes dans une anarchie. Je n'invoque je pas ici le bénéfice de la loi d'amnistie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnistie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler, à fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue. Nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas Nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que d'ailleurs, Jérôme n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation. On a débarqué Mano Militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser, n'est-ce pas, l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Bandegui savait beaucoup de choses, qu'il était impliqué, n'est-ce pas, dans la mort de deux personnes, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà un effet pour lesquels M. Bandaki a été envoyé en prison. Pour revenir sur la loi d'amnistie. Vous savez, la loi d'amnistie a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre Premier ministre de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler de l'abrogation de cette loi d'amnistie, mais techniquement, ce n'est pas possible. Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces. Les lois pénales les plus douces sont non seulement d'une application immédiate, elles sont également rétroactives. S'agissant de la loi d'amnistie, elle a déjà produit ses effets. Même si demain on l'abrogeait, cela ne supprimerait pas les effets que cette loi a déjà produits. Oui, donc il y a des faits que je vois dans ce dossier qui sont couverts par la loi d'amnistie pourquoi, n'est-ce pas, des autorités de la République reviennent pour relater ces faits-là, alors que cette loi existe. Le seul patron d'une autorité, ce n'est pas une personne, c'est la loi, c'est le règlement, c'est la constitution. Et c'est ça la République. Mais lorsque nous obéissons à des personnes et que nous écartons les lois, nous allons directement vers une dictature. C'est cela que je voulais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne Jérôme Bandiagui. Et je lui ai dit, en réalité, cette enquête-là est un mal, mais c'est un mal qui produit un bien. Parce que je sais que partout où tu passais, les gens te regardaient comme un criminel, un dieu, un assassin. Aujourd'hui, au moins, mais il est clair que ce gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il n'est pas poursuivi pour le meurtre de ces deux personnes-là au moment où nous parlons. Donc voilà, grosso modo, le résumé de l'affaire un moment a un dossier di c'est la première fois ma parce que Bandjaki biñ ma woowee pour ne ma dama koy défendre dama amoon tiitaange trop pour moom parce que li ma doon dégg ci réseaux sociaux yi le concernant te aw ma ci woon firnde te xamuma ci woon dara waaye ba ma demee police gis procès verbal bi dama am mbetteel bu mag a mag a mag a mag ba tax man comprendre ma lu tax police jóg rek débarquer comme ça këram mais bi ni les procès verbal de police bi laa ci am explication laa ci am firnde parce que ñoom dañuy wax ne dañuy jot ordre dañuy jot instruction ci benn autorité supérieure mais waxuñu ban autorité la moo leen wax nañu dem que Jérôme Bandiaky n'est-ce pas perquisitionné fa jëli ko donc bañ fa demee ñu fekk fa ay jumtukaay yoo xam ne société de gardiennage am moo koy moo koy jëfandikoo ak ak ay passeport passeport diplomatique yu expiré ak benn passeport diplomatique en cours de validité mais ci biir passeport yi dañu wax ne moom liggéeyam agent administratif la ñu ne ko léegi lu tax yow ñu bindal la agent administratif te doo agent administratif mu ne man loolu xaw ma ci dara parce que man dañ ma ko bindal jox ma ko hein? donc foofu dama ne bu fekkente ne affaire bi loolu la demee waral nañu au moins même bu fekkente ne jàppuñu ku defar passeport bi ñu entendre ko ci lu tax mu jox ko passeport diplomatique boo xam ne bindal na ko agent administratif donc ci point boobu dañ koy topp ne dafa def usurpation de fonction maanaam dafa dafa ñu koy ñu koy traduire en tout cas dafa dafa jox boppam benn liggéey boo xam ne amu ko n'est-ce pas ci wolof beneen bi mooy ñu ne ko n'est-ce pas lu de nga dëkk ci logement administratif état alors que Pour fonctionnaire fofu nak damay wax né amna les agents fonctionnaires de l'état mais amna na ñoo des agents non fonctionnaires de l'état parce que état mun na def ay contrat avec des gens yo xamné ñom Si duñu ay fonctionnaires bu contrat ak ñom mun nañu am ay avantages état mo leen koy jox mon logement bi mu occupé nee na parce que faut assurer assurer sécurité premier ministre sécurité privée premier ministre avec sécurité privée président de la république C'est ce que nous jox ko logement boobu bu faites ne ñoom estimé le logement est waratu fa mais nañ ko a des procédures nous y ne des administrations def mais on le poursuit n'est-ce pas dañ koy topp foofu pour nee nañ dafa dafa am ay avantages yoo xam ne am na ko ci état te waru ko woon am beneen bi mooy ci biir PV dañu wax ne dafa am ku tudd njaag njaag joo ñu ne kooku dafa ñëw spontanément ci enquête bi ñun fekkeewul bi mu ñëwee spontanément ci enquête bi ne gisoon na gisoon na euh, Jérôme ñëw kër Farba ànd ak ay nervi yore ay ay arme bi ñu defee loolu ñu def perquisition dem kër Farba Ngom loolu moo taxoon ñu dem kër Farba Ngom mais Jérôme mosul tudd Farba Ngom ci enquête bi te kooku ñu wax ne woo nañ ko ci enquête bi man gisuma ko gisuma ko fekkeewu ma ko yëgaluñ ma ko bi ma jotee procès verbal de police bi laa koy laa laa koy doog a xam te biñ ko yóbboo kër Farba Ngom n'est-ce pas

fi xam nañ Sénégal bi fi Macky Sall nekkee muy la assemblée nationale vote loi d'amnistie. amnistie bi ñu voté loi d'amnistie, amnistie ñu bénéficier nañ ci casse. y compris le président ak suñu premier ministre Mais pourquoi tey ñu bëgg a wax naan dañuy ñëwaat ci li loi amnistie pour couvrir mais loolu du attitude républicaine te gis nga loi boobu même tey suba ginnaaw suba buñ ko abrégé woon ne loi bi nekkatu fi mais loi bi produire na ay effet ba pare loi bi li mu waroon effacer effacé na ko ba pare kenn munu ci ñëwaat loolu c'est un principe fondamental du droit pénal droit de l'homme les lois loi bu ñëwee di favoriser la liberté parce que xam la démocratie équilibre entre liberté ak autorité mais équilibre bi dafa war toujours favorable à la liberté donc loi bi puisque dafay favoriser liberté loi boobu en matière pénale kenn mënul ñëwaat ci effet yi nga xam produire na ko donc man comprends le mot, n'est-ce pas ay borom xam-xam parce que dëkk bi quand même dëkk borom xam-xam la dëkk expert n'est-ce pas ñu ñu ñu fàtte loi boobu di inculper pour trouble à l'ordre public bi nga relatif à des faits qui datent peut-être de 2021 ou même d'avant la loi d'amnistie. donc man loolu laa bëggoon wax ci wolof n'est-ce pas en attendant vous fekkente ne am question yu bëri bëgg a laaj. man yónnee naa ay messages yu bëri maître Aïssata Vous Sall pour wax man d'accord avec ci loi c'est une attitude personnelle du ma ko wax à partir du moment où la loi est voté Mais mais loi est voté nañ ko et loi bi dafa tous les crimes et délits ayant une motivation politique mais loolu la loi bi wax tous les crimes et délits ayant une motivation politique mais amul benn sénégalais bu souffrirul ci li fi y compris moi vous comprenez qui n'a pas souffert de ça et loolu li ñu c'est la responsabilité responsabilité homme politique yi la responsabilité comme nga la naa ñu naan ñoo xam ne dañuy wax ne affaire yi fi 2021 avec euh, événement yi fi pendant que le parti au pouvoir était dans l'opposition dañ ko war a saytu attewaat mais ils n'ont pas compris comme la responsabilité la responsabilité pénale ce n'est pas simplement une responsabilité matérielle

viandour organiser na benn concert voile d'or mu am ko fa mais yoon daf ko wo c'était c'était un concert c'était autorisé république non lay fonctionner vous comprenez mais dafa am nit ñoo xam xamuñu li xew tu comprends dajal leen nga mbooloo mu am kenn ku jël ku jël fetal tiire

te soreetuñu loolu moi j'ai vu des enquêtes yoo xam mais dañ koy def ci réseaux réseaux sociaux yi ah ci ñoo xam amuñu benn qualité parfois sax dañuy am ay information yoo xam ne ñoom xamuñu naka lañ koy traité mais kan moo leen di jox information yooyu man dossier bi dossier bi man dama ko verrouillé enquête bi bi mu commencé ba tey dama ko verrouillé amul ben journaliste boo xam ne woo la sax wax ak yow pour information pourtant parfois damay lire ma gis ay fuite yuy am ci dossier hein donc par rapport à la plainte de Tambo, que j'aime bien que j'apprécie beaucoup vous comprenez loolu nekkul ci dossier bi te dama koy vraiment on a besoin d'une réconciliation on n'a pas besoin de guerre dans ce pays vous comprenez donc moi je pense que ce qui est passé est passé il ne faut pas qu'on revienne sur ça on n'a qu'à regarder vers l'avenir On n'a qu'à regarder vers suñu n'est-ce pas avec des esprits sains vous comprenez On dit ದೊಡ್ಡ